le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou passé de 18 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-nous pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Bienvenue dans cette édition du forum du Studio Kalangou. Studio Kalangou que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. C'est pareil dans les localités d'Arlit, de Tirozerine, de Ménesoroa, de Magaria, Tamaski, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce soir, nous allons parler d'insécurité transfrontalière et de terrorisme. Quelles sont les principales sources d'insécurité transfrontalière pour le Niger Quelles sont les conséquences sur la vie socio-économique des populations Quelles mesures faut-il prendre ou renforcer pour, bien gérer ces problèmes d'insécurité transfrontalière et de terrorisme Pour discuter autour euh, de la question, nous avons comme invité Boubacar Diallo, qui est président du Conseil des éleveurs Nord Tilaberi, qui est là avec nous. Bonsoir Diallo. Eh, bonsoir. Et merci d'être venu. Eh, merci. Euh, de... Nous devons avoir en ligne avec nous professeur Issoufou Yahaya, qui est historien, politologue et expert en sécurité. Nous, attendons aussi d'un moment à l'autre Boubacar Sidik Ali, qui est président du réseau des journalistes pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Le Niger, comme vous le savez, est un pays dont l'insécurité transfrontalière conjuguée au terrorisme sont plus que jamais d'actualité faisant frontière avec des pays comme le Niger ou le Nigeria, où sévit Boko Haram, la Libye instable depuis la chute de Kadhafi, le Mali avec euh, tout ce qu'il y a comme groupe terroristes armé. Les régions du pays qui sont les principales victimes de cette insécurité sont entre autres la région de Difa, la région d'Agadez, Tawa et celle de Tilaberi. Ainsi, les, les dernières attaques meurtrières en date sont celles d'Interzawan à Tilwa vers Walam, qui a fait, selon un bilan officiel, 16 morts et l'attaque de Wanzarbe, commune rurale de Gorwal, département de Terra, intervenue le lundi 16 mars et qui a fait, 16 qui a fait 5 gendarmes tués, au pour moi. Cette attaque intervient donc euh, après quelques jours seulement, après que l'État ait décrété euh, l'état d'urgence dans certains départements de la région de Tilaberi. Alors, je suis avec, euh, je le disais, à ces studios avec euh, Diallo Moubacar, qui est le président du Conseil des éleveurs Nord Tilabéri. D'abord, euh, présentez-nous rapidement euh, ce conseil, le rôle que, joue ce conseil et quelle est l'étendue de, votre champ d'action. merci, merci à Kalangou. Effectivement, le, Conseil des éleveurs Nord Tilabéri est presque une instance, cest un, un regroupement des structures associatives qui, sont, qui sont fédérés uniquement pour gérer la question sécuritaire dans le nord Tilabiri. Parce que peut-être avant, de, avant que les gens, aussi aujourd'hui qu'on parle beaucoup de Tilabiri, mais je pense que eh, je parle sous le contrôle de, de, la presse, en tout cas nigérienne, eh, qui nous ont beaucoup accompagnés. En tout cas, depuis 98-99 euh, eh, jusqu'en 2000, quand les événements ont commencé, on avait quel événement les événements, le conflit entre des peuples euh, nigériens et des Touaregs maliens. Tout a commencé à ce niveau. Donc il n'y avait aucun cadre qui, posait le problème côté, en face euh, du gouvernement. Parce que c'est des populations, en tout cas des populations qui se faisaient la guerre. Donc on avait préféré, en tout cas, créer un cadre qui va essayer de rentrer en contact avec euh, les autorités. C'est comme ça que le, comité de coordination pour la sécurisation de la zone nord Tilabéri a été créé de 98 à 2000. Et c'est après que nous avons en tout cas changé de, nom pour devenir le Conseil des éleveurs nord Tilabéri. Donc c'est vraiment un regroupement des structures associatives qui, qui œuvrent pour le retour de la paix, la quiétude dans la zone pastorale dans, ce conseil, dans ce conseil, euh, ce conseil exclusivement constitué de Nigériens ou il y a mm, mm, une partie mm. euh, de, Maliens Non, non, non, non c'est exclusivement des Nigériens, mais quand même, vous savez, du côté du Mali, c'est qu'on a nos éleveurs qui sont en transhumance en territoire malien. Donc, c'est-à-dire que tous les, les, transhumants, ceux qui sont au Niger et ceux qui sont au Mali, quand même, nous, les défendons. Dès qu'il y a un problème du côté du Mali, on intervient. Que si c'est un territoire nigérien, on intervient. Alors, euh, décrivez-nous euh, concrètement comment se présente euh, cette insécurité transfrontalière dans cette zone nord, Tilaberi, qui fait frontière avec le Mali. au début, ça a commencé avec le vol de bétail entre les communautés pastorales qui vivent le long de cette frontière. Et ça, ça date de, très, très, très longtemps. Peut-être nous, d'autres, d'aucuns disent ça euh, depuis 1916, mais nous, on avait pris tout juste euh, dans les années 80. Plus précisément en 82. Et en ce temps-là, c'était des éleveurs nigériens qui, étaient, qui sont en transhumance au Mali, qui sont traqués par l'armée malienne. Et ça avait continué jusqu'à la création, jusqu'à en, 90, avec la création de, de, de la rébellion Touareg au Mali. Et puis, et c'est en sorte là que les communautés, la rébellion Touareg a commencé à s'attaquer aux éleveurs. Sinon, avant, c'était des petits bagarres entre euh, Peul et le Touareg, mais c'est à coup de bâton et de sable. C'est après la rébellion. Maintenant, les armes se sont, en tout cas, euh, sont, on, a, on a infiltré des armes au sein de toutes les communautés. Donc après la rébellion, les, éléments qui ont été intégrés et ceux qui n'ont pas été intégrés ont commencé quand même à s'attaquer euh, au vol, à, faire leur en tout cas sport favori, qui est le vol de bétail. Donc tout a commencé. Et il y avait des vols de bétail, la rébellion le faisait. Après la rébellion, les intégrés le faisaient parce qu'on avait l'habitude de récupérer la carte des, militaires malins sur le territoire nigérien. Ça, c'était, ça datait de quand En 99. Donc ça a continué jusqu'en 97, euh, quand il y a eu un conflit entre euh, des peuples nigériens qui sont à Meneka et des Daoussac. Il y a eu un chef de fraction euh, Daoussac qui a été tué. Et ils se sont... Mais, à, ces, jour, jours, à est-ce que ce problème est encore d'actualité Oui, ça n'a pas fini. C'est du fait, c'est toujours c'est la rébellion du MNLA qui a un peu calmé les, les, les, les esprits des, des, communautés. Mais sinon, le problème intercommunautaire dans cette zone a toujours existé de, depuis la nuit des temps, parce que c'est le vote de bétail, l'occupation de l'espace pastoral, c'est ce qui fait quand même euh, tout le problème. Et tant que nos États n'arrivent pas à gérer bien l'espace pastoral, euh, il y aura toujours en tout cas des problèmes entre les communautés. Et je crois que c'est ce problème-là, c'est ce prolongement de ce conflit qui est aujourd'hui à la base de ce que nous voyons dans le nord Tilabéry. donc, comme je vous le disais, donc en 1997 quand il y a eu ce conflit, et c'est en cela que les communautés ont commencé à créer des milices d'autodéfense pour se défendre et puis se faire la guerre. Tout a <laughs> commencé, ça a continué jusqu'en 2011 où on avait désarmé la milice Peul après plusieurs tentatives de médiation entre les communautés, mais c'est en 2011 qu'on a réussi avec l'actuel gouvernement hmm. et le Premier ministre, on a fait des accords de paix à Meneka qui a en tout cas demandé à ce que tous les groupes armés des deux communautés soient désarmés. Donc nous, quand on est revenu, au niveau du Conseil des élèves, nous avons accepté le principe et on a désarmé la milice Peul en le 10, le 10 février 2011 à Walla. Donc, les éléments étant sur le terrain, finalement, euh, l'engagement que l'État a eu à prendre, c'est de voir dans quelles conditions la réinsertion de ces jeunes, ça n'a pas eu lieu. bon, finalement, 2011-2012, il y a eu la rébellion du MNLA qui s'est déclenchée. le avec le déclenchement de, ce mouvement, vous pensez que ces, attaques, ces agressions ont ou Bon, en tout cas, début, parce que ce qui a fait même pousser beaucoup de les jeunes qu'on avait désarmés à quitter pour rejoindre les groupes armés au Mali, c'est qu'il y a eu des séries d'attaques que le MNLA a eu à perpétrer sur des, jeunes peuples qu'on avait désarmés et des enlevements de bétail. Donc, il se trouvait malheureusement, nous, on avait tout fait pour que l'État, en tout cas, puisse récupérer ces jeunes qu'on avait désarmés en 2011 et ça n'a pas eu lieu. C'est le long de la frontière. Hein, et les gens à la frontière, il n'y a, pas, a pas de barbelés, il n'y a pas de machin. Et automatiquement, quand le MNLA a occupé les trois villes de, du nord du Mali, il se trouvait qu'à Gao, euh, les Arabes ont créé le Moujaou pour défendre leurs intérêts. Et les djihadistes, quand ils viennent, c'est toujours, ils, ciblent les communautés qui ont des problèmes. Et il se trouve qu'il y avait déjà un problème entre des Peuls et des Touaregs. Donc, euh, les djihadistes ont préféré parce qu'ils sont venus avec le MNLA. Vous voulez dire qu'il y a eu des, récupérations Non, mais c'était des récupérations. De, ces, jeunes. Oui, oui parce que c'est des jeunes qu'on avait abandonnés. Et, finalement, il, le MNLA était venu avec Al-Qaïda et les autres, mais quand ils sont venus après le partage de, l'espace, il y a eu des problèmes. Bon, ils ont préféré aller chercher, le, en tout cas, le, les éléments de la milice qu'on avait désarmée. C'est comme ça que ces gens-là ont été recrutés à coup quand même des, sous. ils se sont intégrés dans le juste à ce que le Moujaou a réussi à chasser le MNLA de Gao et bon, déjà, puisque nous, on fait frontière, le, le nord Tilaberi fait frontière, la région de Tilaberi fait frontière avec euh, Agao. et finalement, euh, ils se sont installés là-bas depuis 2012 à ce jour. Donc, tous les jeunes que nous avons, en tout cas, très peu d'entre eux ne sont pas n'ont pas combattu dans le nord de Mali. Bon, en dehors de Moujaou, il y a même dans les autres groupes armés, on retrouve en tout cas des jeunes peu nigériens et qui combattent dans ces mouvements. Alors, euh, qu'est-ce qui, euh, à votre avis, explique fondamentalement cette prolifération de, de, ces groupes djihadistes, terroristes bon, dans ces zones Vous savez, en réalité, aujourd'hui, dans l'espace sahélo-saharien, il faut vous dire qu'il y a des problèmes. Avant l'arrivée de, de, ces groupes, il y avait des problèmes. Je vous ai parlé du conflit intercommunautaire qui était, qui, qu'on avait durant tout, depuis 1976. Donc, et les djihadistes, partout où ils s'implantent, c'est qu'ils s'accrochent à des communautés qui ont des problèmes. Quand ils viennent, ils trouvent des gens qui ont des problèmes, ils disent, bon, nous, on a la solution pour vous, on va vous aider, voilà ce que dit, ainsi de suite, avec évidemment les, valises pleines d'argent. Donc, très facilement, ils arrivent à... Parce que quand tu viens dans une zone, dans une communauté, tu trouves qu'il n'y a pas de problème, comment tu vas s'installer Et vous avez des jeunes désœuvrés qui sont là, qui ne font rien. De l'autre côté, vous avez ce problème intercommunautaire qui est là. Donc, quand quelqu'un vient et dit, moi, je vous apporte la solution, impérativement, vous allez automatiquement, les gens vont, croire. Hmm. Et c'est comme ça que. Mais est-ce que vous, voulez dire que euh, beaucoup de, ces gens ont rejoint les rangs de ces djihadistes sans conviction Non, oh, effectivement. C'est par, par, nécessité. Bon, nous, chez nous, c'est pas en tant que par nécessité, mais c'est du fait du conflit, du problème qui existait entre les Peuls et les Touaregs. Aujourd'hui, le MNLA qui est là en première ligne, dans le nord du Mali, écoutez, euh, comment euh, les gens vont fait Et vous voyez, quand quelqu'un vient pour dire, moi, on a la solution pour vos problèmes, venez avec moi, il est facile que, puisque nous, en tant que structure associative, on était incapable, ou avec l'État, on était incapable de mettre de l'ordre et à récupérer ces jeunes, et on les a laissés abandonner. Mais c'est tout à fait normal que quelqu'un qui, qui vient, il dit, je vous porte la solution, il vous donne des armes, il vous donne les moyens, vous faites la guerre contre l'ennemi. Et quand vous avez le dessus chaque fois, donc vous pensez que le monsieur là est mieux que les associations, il, est mieux que les. Mais ce n'est pas par conviction. Parce que quelqu'un qui n'a pas lu le Coran, qui n'a jamais été dans une école coranique, il se retrouve un bon matin, il dit qu'il est djihadiste, s'il vous plaît. C'est à vérifier. Donc, nous, moi, c'est que la plupart des jeunes qui sont ici, que je connais, ce n'est pas par conviction qu'ils sont là-bas, mais c'est le fait de la situation qui a été créée par ces conflits intercommunautaires qui est à la base du point. Parce qu'il faut, il faut dissocier le conflit de ce qui se passe dans le nord Tilaberi et de ce qu'on voit dans la région de Difa. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas malheureusement. La, la, Difa, c'est autre chose. Mais ici, on a des problèmes d'abord des conflits intercommunautaires qui, ont a duré. qui a et qui a fait que ces gens-là, quand ils viennent, automatiquement, ils trouvent, ils s'accrochent à quelqu'un qui a des problèmes. Ils disent Moi, j'ai la solution pour toi et venez avec moi. C'est comme ça que. Mais est-ce que, est -ce que ces, jeunes, ces gens qui ont quitté leur terroir pour rejoindre d'autres groupes, est-ce qu'il il est arrivé que ces derniers reviennent pour commettre des forfaitures Bon, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir sur le territoire nigérien. Puisque aujourd'hui, de côté du Mali, il n'y a pas d'État. Il n'y a rien. Quand vous prenez la région de Gao, la région de Tombouctou, le Kidal, c'est les groupes armés qui font, qui, qui font la loi. Mais tant qu'on n'arrive pas à créer les conditions pour que l'État existe, et vous aurez toujours ces problèmes qui vont continuer. Donc, vous euh, voyez, c'est malheureusement, c'est ça qu'on a. voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, d'abord, il faut, aller, il faudra que les gens fassent en tout cas euh, des études très approfondies mhm. pour voir pourquoi d'abord ces conflits conflit intercommunautaires continuent à persister. Parce que tant qu'on n'arrive pas à trouver ces problèmes, et je vous assure qu'on aura toujours à gérer. Peut-être si aujourd'hui c'est les problèmes djihadistes, demain c'est d'autres formes de lutte qu'on va, en tout cas, euh, qu'on risque d'être confronté dans le Sahel. Alors, alors à ces jours, quelles sont euh, les principales conséquences déjà qui sont visibles au niveau de ces zones dues euh, justement à, ces problèmes, à ces problèmes d'insécurité C'est des zones d'ailleurs, avant même ce conflit, c'est des, zones, des zones où il n'y a pratiquement rien. les, les trucs les, sociaux, le, truc de base du développement d'un être humain n'existe plus là. Parce que quand vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de dispensaire, vous n'avez rien, et vous êtes des animaux en train d'errer. Avant même ces problèmes, il n'y avait rien à forcerie aujourd'hui. Donc, c'est des zones qui sont complètement abandonnées où il n'y avait rien. C'est voilà pourquoi c'est facile pour des, des, des, narcotrafiquants ou d'autres, en tout cas, force forces en tout cas, du mal puissent s'intéresser. Il n'y avait rien pour qu'aujourd'hui on pense que il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est des éleveurs, quand ça ne va pas ici au Niger, je me retrouve au Mali. Quand ça ne va pas au Mali, je me retrouve au Niger. En fait, c'est comme ça que les gens vivent. Hein. Même avant, il n'y avait pas d'école pour qu'on pense que ce conflit-là a fermé les écoles. Il n'y a pas d'école. Moi, ma, la, que je, la, seule école que je connais dans cette zone, c'est dans la zone de, de on appelle, de Wedaru, à 15 km de Banibangu. À Bala, je crois, il y avait il y a une école euh, qui, qui, ne marche pas, qui marche aujourd'hui, qui ne marche pas. Donc, pratiquement, les trucs au niveau des trucs sanitaires, là, il n'y a pratiquement rien. Nous allons revenir sur ces aspects, euh, donc, euh, euh, notamment sociaux. le temps de prendre en ligne notre invité, professeur Issoufou Yahya. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce forum euh, dont la thématique est donc euh, la sécurité transfrontalière et le terrorisme. Nous avons fait un peu la genèse avec toutes ces attaques que subit le Niger euh, de toutes parts, si on peut le dire. De l'autre côté, il y a les groupes terroristes de Boko Haram avec ce que cela a comme ses conséquences des attaques répétitives. Nous avons également euh, cette euh, région de, de qui, partage une longue frontière avec euh, le, le Mali instable depuis un certain moment avec tous ces groupes terroristes qui, qui circulent. Nous avons cité entre autres attaques récentes l'attaque de Tilwa l'attaque d'Intirzawan à Tilwa, donc euh, dans, le département de Walam, qui a fait 16 morts côté militaire nigérien, et l'attaque de Wanzarbe euh, dans la commune rurale de Gorwal, département de Tilaberi. Alors, professeur Youssouf Yahya, vous êtes historien, politologue et expert euh, dans ces questions de sécurité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence des attaques contre le Niger je, pense que le premier élément euh, d'analyse, c'est que euh, le Niger a une situation euh, géopolitique qui est un peu particulière par rapport aux différents centres de conflictualité. Alors, il y a, c'est vrai, tous les foyers qui sont encore en feu qui entourent le Niger. Maintenant, moi, ce sur qui, quand même, sur quoi, du moins, je vais exprimer une certaine colère, c'est que qu'il y ait une attaque, la, guerre, c'est vrai, c'est du domaine de l'aléa. Qu'il y ait une première attaque surprise qui fasse des morts, peut-être qu'on peut, on peut euh, le laisser sur le compte euh, de la surprise. Mais qu'il y ait une récurrence d'attaques qui endeuille régulièrement et quotidiennement euh, le Niger, les familles nigériennes, ça, ce n'est pas pardonnable. Et moi, c'est c'est un peu cela euh, qui est euh, inquiétant. Mais euh, La première attaque. Allez-y. Oui, la, première attaque peut être mise au compte de la surprise, mais qu'il y ait régulièrement, de manière répétitive, des attaques où on surprend les FDS, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit rendre compte. Qui, par exemple Des attaques où. Oui, je, vais revenir. Qu'il y ait des attaques où les renforts ne viennent pas il y a quelqu'un d'autre aussi qui doit rendre compte. Maintenant, toutes ces bases, toutes ces bases extérieures, euh, a priori, elles ne servent à rien à partir du moment où euh, le Nigérien ordinaire ne voit pas à quoi elles servent, puisque les attaques continuent et le Niger continue de payer le parlez Alors, quelle base responsabilité. Vous parlez de quelle base Quand vous euh, parlez de base extérieure même celle que l'État ne veut, ne pas euh, dire, les bases allemandes. On dit c'est un poste avancé. On se moque de qui C'est une base. Qu'il y ait des bases françaises, qu'il y ait des bases américaines, et que euh, même le simple renfort n'arrive pas pendant que euh, les combats sont engagés. À quelques encablures de Niamey, je pense que cela est impardonnable. Cela mérite qu'il y ait des sanctions à quelque niveau que ce soit. Parce que signaler l'engagement d'un combat, c'est une chose. Un combat déjà engagé, je pense que l'issue, c'est qu'il y ait rapidement, rapidement euh, les renforts pour venir te repousser. Mais que ce soit plusieurs heures après, euh, ou même des jours après euh, que les renforts, on ne prend pas de renfort. Je pense que cela n'est pas pardonnable. pas hum. si elles ne peuvent pas euh, d'abord donner euh, des renseignements. Si elles ne peuvent pas intervenir, eh bien, il vaut mieux euh, les fermer et restituer leur matériel aux différents pays qui, les ont financés. Mais ça, tel qu'ils profitent à quelques politiques. Et ça, là, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on fasse le débat à qui réellement ces bases profitent. Comment, est-ce que, comment est que leur présence simple peut profiter aux politiques il eh, y a, quelqu'un qui a sans doute construit ses bases. Il y a quelqu'un qui ravitaille ses bases, euh, je ne sais pas, en, consommables. Il y a des gens qui profitent énormément autour de ces bases. Autre chose. Oui. Euh, mais si, si ce n'est pas pour le Niger, à quoi elles servent Elles ne servent à rien si ce n'est pas pour sécuriser le Niger. Elles sont là dans une autre logique je ne vais pas jusqu'à la reconnaissance, mais c'est une sorte de, négation de l'État. Professeur euh, nous, allons revenir euh, un peu plus tard sur euh, tous les dispositifs qui est là mis en place et par l'État du Niger et par ses, partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Mais je voudrais poser quand même la question de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cette prolifération de djihadistes et de terroristes autour de nos frontières la prolifération, euh, elle, échappe à tout esprit rationnel. C'est-à-dire que ceux qui euh, ont euh, mis en place ces différentes bases ont un agenda peut-être élaboré depuis très longtemps. Parce que être djihadiste, ça ne, ça ne signifie pas qu'on est idiot. C'est qu'il y a un temps d'avance, un temps de réflexion et un temps de planification d'activités en amont et que celui qui court après le, terroriste a toujours un temps de retard par rapport à lui qui a l'opportunité de l'attaque, qui a euh, le, vent favorable, qui a la fenêtre d'exécution et qui commet pour faire beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts en utilisant le minimum euh, de moyens. Est-ce que vous insinuez qu'il y aurait des complicités alors, complicité, probablement, il doit en avoir parce que euh, surprendre les militaires en train de manger ou en train de prier, je pense, ou même être au courant de leur sortie de Niamey pour aller dans telle zone, je pense qu'il faut avoir de très grandes complicités euh, et ces complices devraient être recherchés. Alors, nous allons revenir à vous, professeur, restez en ligne avec nous. Le temps de, revenir au studio avec Boubacar Diallo, qui est le président du Conseil des éleveurs Nord-Tilabéry. Alors, pour abonder toujours dans, ce sens de, la prolifération des groupes terroristes, alors comment est-ce que, comment vous, vous, voyez le fait que cette guerre asymétrique, comme on l'appelle souvent, euh, perdure Bon, au fait, moi, je pense, c'est ce que j'ai dit hein, au départ. Quand vous voyez ce genre de situation, eh, ce genre de guerre, ce n'est pas le genre de guerre eh, des rébellions politico-militaires qu'on voit. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel, je parle du Sahel parce que c'est le Sahel que je connais, et si cette situation perdure, c'est parce que eh, ces gens-là se sont intégrés dans nos communautés. Au fait, on a affaire aujourd'hui à des guerres des communautés contre leur État sous la bannière des djihadistes, du terrorisme, de, de, de, de l'islam. Mais pourquoi ils ne posent pas de, de revendications si tel est le cas Au fait, ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Niger, le Mali et le Burkina, c'est le même problème, hein. c'est les mêmes communautés parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas le cacher. Et de, ce côté, vous avez la question. Avant, c'était la rébellion Touareg qui avait dérangé les gens dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est le problème des djihadistes et aussi des Peuls et Touareg. Mais le cas des Peuls que je connais, c'est que euh, malheureusement, on a affaire à des communautés. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est quand vous prenez Amadou Koumfa Amadou Koumfa, c'est un leader euh, religieux au Mali. De tout temps dans le nord, dans le, dans Massina, il y avait des problèmes. Mais ni les associations, ni les intellectuels n'ont pas pu faire quelque chose. les gens qui sont nommés au niveau des gouvernements, c'est leur personnes qui en profitent ou leur famille. Ils ne posent pas le problème de leur communauté, c'est leur dernier souci. Et c'était ça qu'on avait durant depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Les gens qui créent leur association, c'est pour s'enrichir, pas pour aider les populations. Donc vous avez abandonné des populations. Et un bon matin, voilà des situations qui se passent euh, de l'autre côté en Algérie. Et puisque la plupart des gens qui sont là aujourd'hui dans le Sahel, c'est des Algériens ou des Sahraouis. C'est eux qui sont en train de faire cette guerre dans le Sahel. Et ils viennent, ils disent, bon, voilà, nous, on va vous aider, on va faire en sorte que vous soyez... Et un leader sort, néant, qui n'a jamais été à l'école, qui a fait l'école coranique, et il vient, il présente, il dit, non, je défends la cause de l'islam, mais avec une communauté. Voilà comment les choses sont en train de se passer. Or, pour combattre ces gens-là, vous, vous essayez de combattre toute la communauté. Parce que même ceux qui ne sont pas. Euh, on pense que. Parce que la plupart des jeunes, c'est des jeunes qui sont issus des communautés. C'est eux que ces gens-là sont en train d'utiliser. Donc, comment les combattre Vous une guerre, c'est que vous allez chaque fois faire des victimes collatéraux. Et si on vous renvoie la question comment les combattre D'abord Surtout comment... qu'ils ne posent pas de revendications souvent. Malheureusement, c'est ça. Parce que le jihadiste quand tu te poses, ma... revendication, c'est l'islam autre. Ça, c'est difficile que ça, passe. Et d'abord, c'est au sein des communautés que les gens doivent s'assumer. Voilà pourquoi nous, on pense que dans la lutte de le conflit de le Sahel, c'est au peuple nigérien, malais ou burkinabé, les leaders, de s'assumer. Parce que ceux qui sont de l'autre côté en face, c'est des gens qui sont issus de cette communauté. Donc c'est à eux de voir d'abord comment le faire. Parce qu'avec la guerre, cette guerre classique qu'on est en train de faire, et je suis désolé, ça va être difficile pour nos armées de le faire. Et je suis désolé tout ce que j'ai entendu le monsieur qui parlait de, la présence des forces. Mais ça, ces gens-là. Est-ce que réellement vous pensez que nos armées sont en mesure de faire face à ces gens-là S'il vous plaît. C'est une réalité, je crois, c'est un débat que nous devrons poser. Est-ce que vous voulez dire, vous voulez euh, contredire, euh, vous voulez dire que la présence de ces bases militaires étrangères est nécessaire Non, c'est plus, c'est nécessaire face au danger qu'on a dans le Sahel il faut être clair et réaliste. Il faut poser le débat dans le sens vraiment, ce n'est pas une question de politique autre. Et nous, nous vivons cette situation. on voit comment et on, on, gère la situation sécuritaire. Avant ça, on a toujours dit, et je parle sur le contrôle d'un monsieur qui est là en face de moi, où on a toujours dit, la question c'est que la politique sécuritaire de nos États ont des défaillances qu'il fallait rectifier. Les gens ne l'ont pas fait. Et on sait qu'aujourd'hui, nos armées classiques ont des difficultés à faire face à ces gens. C'est des gens qui sont puissants, ils sont convaincus, ils sont motivés dans ce qu'ils font. Et, et c'est les gens qui utilisent des communautés pour faire leur guerre. Comment vous pensez une armée D'abord, le fait de surprise est là, le renseignement. Normalement, nos armées peuvent avoir leur renseignement au sein des populations. Et quand vous voyez des gens qui viennent, ils considèrent, c'est comme nos armées, des fois, ils se considèrent comme des armées étrangères sur leur propre territoire. Parce que là où se trouve le problème, on pense que celui qui tire de l'autre côté, tous ceux qui ressemblent à ces gens-là sont indexés, sont, euh, se considèrent comme ennemis. Or, qui te donne l'information C'est au sein des populations. Et si tu n'as personne pour te donner le fait de est toujours là. Et c'est ce qu'on est en ah. train de voir et au Niger, et au Mali, et au Burkina. Pour revenir à, cette question de, présence euh, étrangère, euh, quand vous dites que leur présence est nécessaire, euh, qu'est-ce que, en quoi est-ce que euh, ces forces en ont plus d'efficacité pour lutter contre ce, genre de, conflits dont vous-même vous avez euh, dit que c'est très difficile parce qu'il s'agit de, communautés d'abord. Au fait, vous voyez, on ne peut pas comparer l'armée française à nos armées. Le professionnalisme est là, c'est surtout le professionnalisme. Or, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on constate dans nos armées La plupart, avant, on avait des armées dignes de ce nom. Mais ces derniers temps, même pour recruter, tu as ton enfant qui ne va pas à l'école ou qui chôme, il dit, moi, je vais l'amener peut-être dans l'armée, il va faire carrière. Donc, hmm. quelqu'un qui n'est pas motivé, que tu amènes, il ne peut pas faire le travail. Et de l'autre côté, vous avez les, les, comment on appelle ça, les coups d'État, que nos armées ont eu tellement à faire, que les militaires ont goûté à, à, la facilité. Et eh, mais écoutez, vous n'avez plus de Ça fait des années qu'ils s'occupent de la politique que de la sécurité. La réalité, elle est là. Nous tous ces problèmes-là se sont accumulés et quand ils sont en face des dangers, comment ils vont faire Des armées qui ne sont pas préparées à faire la guerre. Ce n'est pas cette, petites petite rébellion que nous avons vue au Mali, au Niger. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'on a. Donc, et là, ça prouve que les armées dans le Sahel ont des difficultés. La présence de ces armées étrangères, c'est une sorte de dissuasion. C'est même une dissuasion. Or, là, on a vu au Mali, ni était l'intervention de l'armée française. Dieu sait où se trouvent ces gens-là. Professeur. Et même chez nous, euh, le, long de la frontière, c'est comme ça. Nous allons, nous allons redonner la parole au professeur Issoufou Yahaya. Euh, une réaction peut-être, au professeur Issoufou Yahya Vu la, complexité euh, de, groupes auxquels les pays font face, est-ce que finalement euh, la présence étrangère n'est pas nécessaire alors, d'abord, y peut-être, permettez-moi de dire deux choses. par rapport à ce que j'ai entendu, je pense que je ne reconnais pas notre armée, l'armée nigérienne. Qu'elle est la difficulté c'est un fait. Mais euh, le recrutement, je pense qu'il est national, euh, ça il faut le dire. Euh, la formation, il y a une formation. Peut-être que les équipements ne suivent pas. Peut-être que tout ce qui devrait être mis à la disposition des militaires, peut-être n'est pas mis. ça, pourrait être une, une, vérité. deuxième élément, la dissuasion, comme il a été dit, euh, c'est un fait. Mais qui est dissuadé euh, au motif de quoi et dans quel dessin Si c'est pour attaquer les militaires nigériens qui défendent le territoire, à quoi, à, quoi servirait cette dissuasion à partir du moment où ils sont attaqués Je pense que leur intérêt, c'est d'appuyer. Et il n'y a rien de plus euh, remarquable pour défendre un territoire des ressources du même pays. Parce que les Français ne vont pas sécuriser euh, le Niger ad vitam Et même maintenant, je me demande s'ils le sécurisent, si, on, parle d'eux. Autre élément, euh, c'est vrai que c'est une guerre qui est particulière, où euh, l'information viendrait des, communautés. Mais moi, personnellement, je suis pour une armée nationale, pas une armée ethnique ou une armée... non, l'armée devrait être nationale. Composante de la nation devrait se retrouver dans cette armée et comme cela, il est possible d'avoir euh, localement le bon renseignement. Mais comme il y a des drones qui survolent notre pays, moi j'habite à l'aéroport à Niamey, quand je suis à Niamey, chez moi, je vois ces drones décoller. Je vois ces avions dont on dit même drones sans pilote ou avec pilote qui sont là. À quoi ils servent s'ils ne peuvent pas prévenir les Nigériens des dangers qui les guettent et puis l'armée française dont on parle. Aujourd'hui, le grand problème du Mali, c'est le Nord. L'armée française n'est pas étrangère à la persistance, persistance de, l'activisme d'une certaine communauté. Je pense qu'il faut bâtir une armée nationale. Il faut aller euh, dans le concept de nation. Aujourd'hui, si vous partez en Nigeria, vous ne parlerez qu'une seule langue. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans une seule langue. Tout le monde partage le même destin. Être nigérien, c'est aller au-delà de toutes les particularités. Je pense que euh, la, elle a intervenu au Mali, mais en grande partie, elle ne fait pas, ne rend pas un grand service à tous ces pays parce qu'elle aurait dû euh, les laisser devenir des, des, vrais pays, c'est-à-dire qui ont leur défense, qui peuvent se défendre, leur monnaie, qui peuvent euh, qu'ils peuvent créer et avoir leur trésor, qu'ils aient leur diplomatie, qu'ils aient leur économie entre les mains. Alors, professeur, professeur, je voudrais qu'on avance un peu, par exemple, sur les, sur, les conséquences que toutes ces attaques, toutes ces, agressions ont, ont, amené comme, euh, comme euh, impact négatif sur la vie socio-économique des populations. Alors, vous savez, à chaque fois qu'il y a attaque, c'est des familles nigériennes qui sont endeuillées. C'est un ressentiment qui est de plus en plus général. Et euh, maintenant, euh, quelle est la réponse en C'est cette réponse-là qu'on ne voit pas. À un certain moment, quand il y a eu la dernière attaque, on a dit qu'il y a des, avions de, français qui auraient décollé pour appuyer. Euh, à chaque fois qu'il y a des attaques, il y a ceux qui sont spécialistes de communiqués militaire qui sortent euh, avec vraiment des, bons galons pour dire il y a eu ratissage, il y a eu ceci, cela. Mais quel a été le fruit de ce ratissages Si ces gens attaquent et qu'ils ont été neutralisés une fois, deux fois, la troisième fois, ils, réfléchiraient longtemps avant euh, d'attaquer. Mais aussi, euh, a quelque chose qui a été dit qui me paraît tout à fait justifié, c'est qu'il faut impliquer les populations, les communautés dans le renseignement. À quel degré euh, À quel degré À quel degré Vous savez, euh, euh, le bon renseignement a toujours été humain. Parce que eux devraient voir, ils entendent. Ou si on n'a pas vu quelqu'un qui a vu ou qui a entendu, il aurait entendu quelqu'un lui dire. C'est bien que les éléments sur le terrain et l'information pour se préparer, pour se à toute éventualité. Nous revenons, professeur. Oui, professeur, nous allons revenir au studio avec Aboubakar Diallo. Euh, professeur euh, parlait de, donc justement que ces populations doivent être, doivent être mises à profit pour le, renseignement. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut comme préalable pour que euh, ces populations puissent collaborer afin que, la sécurité euh, soit. Ce n'est pas pour critiquer, hein, pour dénigrer. Il faut que nous sommes tous, en tout cas nigériens, et je crois que l'armée, euh, elle est nationale, elle appartient à la nation. Et on, est fier quand on voit le succès d'une armée, de son armée face à des adversaires aussi coriaces que ces voyous-là. Mais il faut reconnaître encore ce que j'ai dit. Et lui-même, il l'a dit quelque part, il veut que l'armée soit une armée nationale. Et je crois que c'est le souhait de tout un chacun. Et quand je dis quelque part nos armées, en termes, moi je ne dis pas, le, en termes généraux que je parle de ce que je vois, les éléments qui font sur le terrain, ils se considèrent comme des, comme des éléments, et, comme, des, une armée étrangère sur son propre territoire. Pourquoi je le dis Quand vous venez en face des populations, vous venez, vous trouvez que cette population parle une langue, qu'au sein de cette armée, personne ne parle cette langue. Mais vous aurez des difficultés. Parce que quand tu poses la question, et à qui tu vas répondre On a vu les conséquences à Gadez, on a vu les conséquences à Difa, et les conséquences sont ici chez nous. Donc cela veut dire quelque part, la question du recrutement, et la question du recrutement est plus qu'on a huit groupes ethniques. Je crois qu'il faut créer les conditions pour que qu'il y ait un, euh, euh, un pourcentage qu'on donne à chaque communauté. Et vous allez avoir une armée qui est là, où partout elle se retrouve, elle, n'aura pas de problème. Ça, c'est le premier abcès. Le deuxième, vous avez une question Allez-y rapidement. Le deuxième aspect, quand on dit eh, par rapport aux au, renseignement, si Kounché a réussi à sécuriser le Niger, c'est parce qu'il eh, a mis le peu de moyens qu'il a dans les renseignements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peut-être les renseignements qu'on veut chercher, c'est pas si on ne touche pas à l'État. Mais en réalité, sur le côté de l'autre côté de l'insécurité, il n'y avait a rien. Parce que qui, ah, les gens à qui tu devrais chercher, quand tu les considères comme ennemis, il est difficile que tu aies en tout cas des renseignements viables. Donc il faut qu'on change cette politique d'approche, que ce soit en forces de sécurité, quand ce soit les cadres de commandement. Parce que c'est eux qui doivent créer les vraies conditions pour que quand les forces de sécurité viennent, ils ont un terrain bien balisé. Mais quand lui-même, l'administrateur le, le, vient, il se considère comme une administration comme les années 60, ça ne peut pas marcher. Tu veux parce que c'est le parti qui t'a amené, mais le parti, le résultat est là sur le terrain. Parce que les gens ne travaillent pas. Ce qu'il y a, en réalité, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de. Vraiment, il y a des défaillances et il faut qu'on ait ce courage ce n'est pas le fait de critiquer l'armée ou l'administration, mais c'est qu'il y a des défenses. Et ça, ça ne peut pas nous sécuriser. Professeur Issoufou Yahya, en dehors de, cette présence militaire française, nous avons évoqué aussi donc, certains regroupements dans lesquels le Niger euh, euh, se trouve, donc des collaborations avec les autres pays. Il y a par exemple la force mixte multinationale qui lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Il y a le G5 Sahel qui est censé lutter contre les groupes terroristes. Et il y a récemment aussi la force mixte de sécurisation du Liptako Gourma qui a été créée par le Niger, le Burkina et le Mali pour lutter justement contre cette insécurité autour de, leurs frontières. Alors, comment vous trouvez, quelle, analyse faites-vous de l'efficacité de ces, regroupements sous-régionaux qui sont censés apporter une réponse d'abord euh, des pays concernés Bon, euh, est-ce que euh, tous ces euh, Bon, avant de parler des regroupements, je pense que ce qui a été dit concernant le renseignement, je pense que si ce n'est pas le cas, si des militaires nationaux vont dans une région et qu'aucun d'eux ne parle la langue de la zone, je pense que c'est un dysfonctionnement qu'il faudrait corriger. Maintenant, sur les regroupements, je pense que, vous savez, l'affaire des militaires, euh, l'intervention sur le terrain, il faut que euh, la laisse aux militaires. La planification des opérations, je pense que c'est une affaire militaire. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus politique que militaire. En fait, euh, on a une conception qui est peut-être au-delà de la réalité. Parce que j'ai cru comprendre que le Niger veut être un peu le champion d'une lutte euh, peut-être euh, qui est euh, supérieur à ses capacités. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes, mais qu'il soit le champion de, de ces initiatives dont il n'a suffisamment pas les moyens d'initier des activités pour que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine ou un autre groupement qui finance, je pense qu'on aurait pu voir autre chose, au moins demander à chacun des États de sécuriser à l'intérieur de son pays, les, entités à l'intérieur. est-ce que les pays peuvent sécuriser à eux seuls leur, pays sans la collaboration avec les autres pays voisins La collaboration, est nécessaire, mais de tout temps, les pays euh, en question ont collaboré. On n'a pas à regrouper des chefs d'État qui sont bien sécurisés dans leur palais, qui ne connaissent peut-être rien des réalités que le Nigérien ordinaire ou le Faso ordinaire vivent pour maintenant planifier, pour paraître à la télé et un peu, enfin, euh, se montrer. Est-ce que vous voyez la, nécessité de ces, de ces organisations sous-régionales ou pas Monsieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discrétion dans ce genre de choses, elle est nécessaire. Les choses peuvent être décidées en toute discrétion, c'est gage d'une efficacité. Que d'accueillir tel chef d'État, de faire tel sommet, ça, c'est pour le public, c'est peut-être pour l'électorat, on est loin des élections. Demander l'appui des Occidentaux, il est possible de le faire, mais de le faire dans une diplomatie active, une diplomatie de l'ombre qui est plus efficace que euh, d'annoncer, de faire des, effets d'annonce. Maintenant, par rapport aux résultats, 15 secondes, nous avons que 15 secondes, rapidement. Euh, bon, les résultats, en tout cas, sur le terrain, ils se font attendre en dehors peut-être de la force mixte au, Nigeria. Euh, je pense qu'il euh, faut voir les réalités sur le terrain. Quel est le rapport de force Boubacar Diallo, rapidement un mot de conclusion. moi, je pense que la gestion de la crise dans le Sahel, c'est d'abord aux communautés de, s'assumer. Il faudra que les communautés s'assument, qu'ils soient au devant de cette question et aider, c'est ce qui peut aider nos États. Mais cette guerre qu'on veut faire, ça ne marchera pas. En tout cas, on aura des années à gérer ce problème, mais c'est aux communautés d'assumer et d'être en tout cas des patriotes, créer les conditions pour que ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils arrivent vraiment à les dissuader d'arrêter et de changer de méthode de lutte. Parce que la lutte jihadiste n'est pas vraiment. Ça, parce que ça ne peut causer des problèmes à nos communautés. Parce que le fait que tu stigmatisé, c'est aussi un autre problème qui est là. Merci. vraiment de créer d'autres problèmes encore dans nos communautés. Merci. Merci beaucoup. 18h passées de 59 minutes. Nous sommes au terme du forum euh, de, ce soir. Nous étions avec professeur Issoufou Yahaya, politologue, euh, expert en sécurité, qui était en ligne avec nous depuis Zander. Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs Nord tilabéri Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure, même fréquence pour le forum de la presse. Bonsoir.